The forum du studio the forum du studio Kalamgou the forum du studio Kalamgou the forum du studio Kalamgou the forum du studio Kalamgou Merci de placer votre confiance en nous en préférant les programmes du studio Kalangou, 18h15 à Yamé partout au Niger. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue au forum de studio Kalangou. Pour ceux qui viennent de nous capter, sachez que vous nous suivez à travers un réseau de 20 radios partenaires à disséminer dans les 8 régions du Niger. Les questions qui vous tiennent à cœur, c'est toujours euh, du lundi au vendredi à cet espace d'échange d'idées. Être avec vous au cœur de vos préoccupations, c'est notre objectif. Restez avec nous. Nous sommes ensemble pour les 45 minutes à venir. Le cinéma nigérien reconnaît sa paternité à ce curieux ingénieur des ponts et chaussées nommé Jean Roche, également ethnologue et philosophe à la fois. Monteur Saturne, lorsqu'il a été affecté au Niger en 1941, il se trouvait qu'il était déjà un cinéaste accompli ayant réalisé plusieurs films. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas de produire des films de fiction que l'on attendait, c'était de tourner directement le réel et d'en transmettre la vérité, ce qui fait de lui un adepte, voire un précurseur du cinéma direct, un courant né aux États-Unis vers 1958, ses premiers films au pays des mages noirs en 1947 et les magiciens de Wanzarbe en 1950. Le cinéma nigérien a connu ses grands moments de gloire dans les années 70 et 80 avec des grands réalisateurs comme Mustapha Alassane, Djungare Meiga, Omaru Ganda étant mort en 1981 euh, Ramatou euh, Keita. Euh, selon Ramatou Keita, le Niger est le premier pays africain en dehors de l'Égypte à créer une industrie cinématographique. Grâce à ces cinéastes, notre pays a enregistré des succès importants sur la scène africaine et mondiale, le classant au deuxième rang après le Sénégal ainsi, on peut noter plusieurs distinctions et grands prix internationaux qui ont été décernés, aux au cinéaste dont le prix de dessin au premier Festival mondial des arts nègres à Dakar en 1966 avec la mort de Ganji, de Umaru Ganda Kabaskabo sera le premier film africain sélectionné au Festival cinématographique de Cannes, France 1969. Il va également obtenir le prix du grand jury au Festival de Moscou. URSS la même année. Ce soir, nous parlerons donc du cinéma nigérien autour du thème À quand l'industrialisation du cinéma au Niger après la grande période de l'apogée du cinéma nigérien, qu'est-il devenu aujourd'hui En d'autres termes, le cinéma nigérien a-t-il gardé son rang et son prestige d'antan les Nigériens ont-ils aujourd'hui la culture du cinéma face à l'industrialisation du cinéma dans le monde et la concurrence Le septième art nigérien est-il dans la course, la compétitivité Enfin, à quand la vraie relance du cinéma dans notre pays Deux parties dont le forum de ce jour qui traiteront des sous-thèmes cinéma actuel nigérien, situation et défis en premier lieu, et dont la seconde partie sera question du passage d'un cinéma d'art à l'industrialisation du septième art nigérien. Avec moi pour en parler, Tahiru Meyaki, directeur général par intérim du Centre national de cinématographie du Niger, CNCN, connu plus sous le nom de Ato. Ato, bonsoir. Bonsoir. Et Diop Mustafa, grand cinéaste et cinéaste de la première génération. Bonsoir Diop Mustafa. Merci à tous, messieurs, d'avoir répondu à ce rendez-vous. Fidèles auditeurs, contente de vous retrouver pour ce énième numéro du forum de Studio Kalangou. Comment se porte le cinéma dans notre pays Je commencerai donc euh, par euh, le grand cinéaste Mustapha. Un petit portrait, donc Mustapha Diop en 1945 à Cotonou. Il fit ses études au Mali, au Niger et en France. Il euh, s'inscrit en lettres modernes à Abidjan et à Ouagadougou. De 1975 à 1978, il fréquente le Conservatoire libre du cinéma français et obtient deux diplômes, mise en scène et montage, de 1979 à 1984. Il est réalisateur à la télévision euh, du Niger au RTN. En 1974, il réalise son premier film, euh, Synapse, et en 1981, il tourne avec Isabelle Calin, La Tomate. L'année 1982 marque un tournant. Il réalise un long métrage, Le médecin de Gaffiré, avec lequel il obtient plusieurs prix, entre autres le Grand Prix de la CCT à Carthage en 1984 et le prix de la critique internationale à Locarno en 1985. Mustapha Diop. Voici donc un petit parcours euh, euh, de ce que vous avez fait euh, aujourd'hui. Et donc, pour répondre à cette question, comment se porte le cinéma dans notre pays Il me semble que si on essaye de, de se débarrasser du nombrilisme ambiant qui fait que tout ce que nous faisons, c'est extraordinaire, on pourrait euh, euh, lucidement trouver des solutions. Actuellement, j'ai l'impression que nous sommes dans du vague, dans, des, une dispersion d'énergie, parce que chacun veut faire dans son coin ce qu'il croit meilleur pour le cinéma nigérien, y compris nos autorités, y compris les cinéastes, y compris les techniciens, y compris les institutions étatiques. Donc tout ça n'est pas, euh, je vais dire, harmonisé pour obtenir un résultat. Et c'est pas bien pour le cinéma nigérien. Ce n'est pas bien parce que nous, nous, montons la tête en disant nous faisons des œuvres eh, fantastiques et quand on va dans les festivals, on voit <laughs> notre juste mesure. Donc, Comme le dernier, la 25e édition de, ce festival. Oui, on était euh, censé ramener tous les prix. Bon, <laughs> vous avez vu, à part Ramatou qui a ramené l'image, la belle image, et l'image, elle est faite par un Européen. D'ailleurs, quand on va parler d'industrie du cinéma <laughs> au Niger, on, verra qu'il faut tout relativiser. Bon, l'essentiel, c'est d'avoir une certaine lucidité et faire le diagnostic qui convient et ensuite dégager les voies actuellement, tant qu'on va demeurer dans les lemmes comme ça, à s'auto congratuler pour la moindre bêtise que nous faisons, on ne va pas avancer. Hein. Alors, euh, Monsieur Tahirou Mayaki, donc euh, directeur par intérim euh, du Centre national de cinématographie du Niger, CNCN, quelle est la situation actuelle du 7e art au Niger la, situation présentement, on peut dire que comme l'a dit le doyen, on a vu qu'il fallait éviter ces affaires de génération. Donc euh, je pense euh, c'est pour ça que l'État a créé le Centre national de la cinématographie euh, du Niger pour fédérer les cinéastes et puis faire poser des bonnes réglementations pour pouvoir booster la cinématographie nigérienne. Est-ce que ça veut dire que le cinéma nigérien aujourd'hui n'a pas une image très réluisante non, euh, nous qui avons vu la génération des Diop et puis la génération actuelle, on, peut dire que le cinéma n'est pas reluisant, il faut de la vérité. Et c'est pour ça euh, je suis d'ailleurs très à l'aise euh, pour dire que ce que le doyen Diop a dit, c'est vrai. chaque cinéaste ou chaque technicien, il, se met dans sa coquille tout seul, pensant tout seul faire le cinéma nigérien. Alors que c'est comme une équipe. non, tout le monde sait que le cinéma, c'est une, équipe. Bon, maintenant, avec euh, le cinéma numérique, peut-être on peut dire que l'équipe est allégée, mais autant de Diop, c'est vraiment une équipe euh, euh, lourde qui tourne. Alors, cela nous amène à nous poser cette question. La relève est-elle assurée par la nouvelle génération eh bien oui, nous rassure euh, Zalika Soulé, artiste nigérienne née en 1947. Elle est une des premières euh, actrices professionnelles du cinéma en Afrique. Elle a également fait du théâtre et de la télévision. En 2003, la réalisatrice nigérienne Ramato Keita lui a consacré un documentaire à Alessi, une actrice africaine pour elle, l'environnement institutionnel est favorable pour la nouvelle génération de cinéastes. On l'écoute. Vraiment, au Niger, le cinéma a fait un pas en avant, surtout avec la jeunesse ils se sont lancés dans le cinéma. Et surtout, ce qui m'encourage, c'est qu'il y a même maintenant des femmes réalisatrices. Par exemple, il y a Maki qui est là, et il y a Ramotu keta qui est dans le cinéma depuis Lurette. Il y a aussi d'autres. Et vraiment, ils font de leur mieux pour faire sortir vraiment le cinéma nigérien. Les jeunes de maintenant, ils ont beaucoup plus de chance que nous. En notre temps, nous, on n'a pas eu la chance que l'État nous donne de l'argent pour faire du cinéma. Avec le présent actuel, les cinéastes vont le voir, même si c'est individuel. Ils donnent pas au moins 50 millions à un cinéaste qui lui dit qu'il est en terminale, il veut finir un film, tout ça là. Alors, euh, vous venez d'entendre euh, Zalika euh, Souley, comme je le disais, actrice nigérienne et aussi l'une des premières actrices professionnelles du cinéma africain. Mustafa Mustapha la progression du cinéma nigérien à travers donc les jeunes cinéastes et la présence des femmes réalisatrices, est-ce une bonne chose pour, pour le cinéma nigérien? C'est par principe une bonne chose, mais tout à l'heure vous disiez que le cinéma c'est une équipe. C'est plus qu'une équipe, c'est une grande famille où tout le monde se connaît, où chacun connaît les, ce que chacun peut donner. Donc si c'est structuré, s'il y a une synergie adéquate, je pense que entre la jeune génération et, ce qu'on appelle l'ancienne génération, le courant passera et ce sera, c'est ça, euh, la synergie. Ça pousse à aller vers un résultat positif pour tout le monde la jeunesse, c'est vrai, elle a, elle a, sa force de travail, elle a son énergie. Les autres ont leur expérience. On, on, doit fondre ça. Il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie comme ça arbitraire. Et je, je pense qu'avec l'arrivée des femmes, ça c'est l'événement notable dans le cinéma nigérien, plus que dans d'autres pays environnants. C'est cette, euh, il n'y en a pas qu'une seule hein, qui soit actuellement au devant de la scène. Elles sont au moins trois ou quatre, hein. et souvent avec des œuvres qui, qui sont, qui sont je dirais, très, très, très hum, au-dessus de la moyenne, parce que on sent qu'elles ne sont pas venues pour, simplement passer du temps comme d'autres par accident. C'est des choix qu'elles ont faits. Elles portent en elles des projets. Et je pense qu'elles vont beaucoup plus convaincre très rapidement que certains qui sont là presque poussés par les aléas de leur parcours, euh, je dirais pas historique, mais universitaire. Alors, euh, euh, est-ce que les, Nigériens consomment euh, eux-mêmes leur cinéma le Nigeria a envie de consommer <laughs> sa propre image, mais encore faudrait-il la lui fournir. Pour le moment, on nous donne des films maliens, des films euh, Nigeria, Brésil, autres parce qu'il n'y a pas assez de production nigérienne. S'il y en avait, <laughs> matin, midi au soir, que ce soit en français, en, allemand, germain, ils ne demandent que ça. Ça, le marché, là, il y, a une, il y a une demande qui est forte. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe Amener n'importe quelle euh, production navée du Nigeria, les gens se précipitent dessus parce que ça parle la langue simplement. On allait donc euh, euh, en venir à ce marché inondé par les, films nigérians. Alors, est-ce que je m'adresse à vous, Monsieur Tahiru Meyaki, donc directeur par intérim du CNCN, est-ce que quand il y a par exemple des projections de, films des, cinéastes, euh, est-ce que les salles sont pleines Est-ce que les Nigériens arrivent en réalité à, remplir ces salles Est-ce qu'ils sont enthousiastes à, aller à ces projections de films Bon, l'enthousiasme y est. Hein. Euh, bon, maintenant quand vous parlez de salles, quelles salles, d'abord Pour le moment, euh, ce qu'on appelle salle du cinéma, peut-être que le palais de Congrès au Niger ou bien à Niamey, on a une seule salle de cinéma qui ne répond pas bien aux normes. Mhm. Mais pour euh, le palais de congrès, sincèrement, ce que dit le doyen, c'est vrai. Aujourd'hui, quand on fait un film, hein, palais de congrès, c'est le trou plein. Mais il y a euh, récemment donc euh, un nouveau centre, un cinéma qui a été créé. oui. Le centre Blue Zone. Blue Zone. canal Olympia. D'ailleurs, moi, je pense que c'est ce type de cinéma qu'il faut faire en Afrique maintenant. On ne peut plus entretenir des salles de cinéma euh, euh, aux sorties des indépendances où on a 1500 places, 1000 places. Il faut revenir voir, faire des modèles de 200 places, 300 places qu'on peut bien entretenir et qu'on peut alimenter en film. Alors, Mustafa Diop, est-ce que les salles de cinéma, il y en a d'ailleurs euh, euh, aujourd'hui, on remarque une disparition de ces salles de cinéma euh, au Niger. Est-ce que cela ne contribue pas peut-être à, ne pas plus valoriser ou bien plus vendre les films nigériens non, c'est un peu accessoire parce qu'il y a un diffuseur qui a pris le, relais, c'est les télévisions. Les télévisions, elles sont en nombre suffisant, nombre suffisant un peu partout. Et, touchent nettement plus de monde. Si c'est au niveau de la diffusion culturelle ou même au niveau simplement mercantile, donc euh, rapport d'argent pour pouvoir faire d'autres films, la télévision est là pour remplacer les salles de cinéma. À Niamey, il n'y en a que deux. Hein. Il a dit, il y a le palais du Congrès, et les Angorzo avec des projections vidéo. Euh, vidéo c'est pas, on ne peut pas juger de l'attrait du, du, public par ces deux centres-là. Par contre, on peut voir au, niveau des grands diffuseurs le feedback qui peut se créer parce que tel film est passé. Ça, on peut mettre des, des, des, capteurs à gauche, à droite pour savoir quel est le ressenti de, des spectateurs. Bon, ça, je n'ai pas les chiffres en main, je n'ai pas les statistiques, mais ce qui est certain, c'est que l'être humain veut voir sa propre projection dans son miroir. Hein. Tant qu'on lui donne les moyens, que ce soit par la télévision ou les salles de cinéma ou tout autre moyen technique à venir, parce qu'il y en aura. Il y aura du cinéma relief dans quelques années. Il y aura d'autres formes de diffusion. Il ne faut pas rester crispé sur l'espace euh, cinématographique, que ce soit 1000 personnes ou 2000 ou 200. les choses sont en évolution. Il faut s'adapter. Le plus important, c'est le message ou l'émotion que l'on communique au spectateur et ce qu'il en ressent. Alors, euh, Monsieur Tahirou Mayaki, est-ce que vous êtes du même avis Est-ce qu'aujourd'hui les centres, euh, je veux dire les salles de, cinéma, euh, pourraient peut-être jouer un rôle très important dans la promotion de, nos films Je parle des films nigériens. les salles, les salles c'est vrai, peuvent jouer un rôle, mais il faut, il faut réhabiliter peut-être les salles aussi. Créer davantage. Oui, réhabiliter ce qu'il y a et puis créer davantage. Euh, ici, chez nos voisins, l'engouement y est pour les, films africains. Comme dit le doyen, euh, la personne a besoin d'être vue d'abord. Donc, pour euh, les, films nigériens, ils peuvent avoir de l'audience. Maintenant, c'est structurer les salles reformuler les diffusions euh, et puis toujours dans les salles parce que moi quand on parle de cinéma je vois la salle malgré que le doyen dise il y a d'autres diffuseurs c'est vrai mais moi euh, je suis toujours dans cet esprit de, euh, des salles où on peut venir voir à l'aise les films le confort y est et puis l'image et le son sont de qualité pas comme les autres modes de diffusion les vidéos qui sont de, de toutes les productions du monde que l'on peut. Bon, comme disait Godard, ce n'est pas du cinéma de, de, voir un film dans la télé. On ne voit pas un film, on voit une reproduction euh, réduite d'un film. Mais ceci étant, le message passe quand on regarde euh, à la télé ou dans une grande salle de cinéma. Et donc, avec les diffuseurs que sont les télévisions, plus les ventes parallèles, que ce soit pirate ou pas, des, des DVD. Un film sort aujourd'hui en France, vous l'avez en DVD à Niamey, dès, dès, dès le lendemain. C'est extraordinaire. Avant, quand il y avait les salles, il y avait le, la, la et autres, il fallait attendre un an, deux ans. D'abord pour qu'une chaîne française puisse la diffuser, et à deux ans pour que nous, dans les salles, on puisse le voir. Donc il y a ce décalage-là. Parce que le film doit être amorti d'abord chez lui, si c'est aux États-Unis ou en France, avant de venir dans les zones euh, extérieures, disons. Alors, euh, nous revenons donc euh, sur cette première actrice nigérienne. Zalika Soulé qui, pense que chez nous, le cinéma n'est pas considéré comme une industrie, Selon elle, on ne doit pas oublier que le cinéma est d'abord une industrie, c'est-à-dire un mécanisme qui fonctionne selon des codes bien précis. Il y en a qui produisent, il y en a qui distribuent et il y en a qui exploitent moi je dis au Niger, le cinéma ne nourrit pas son nom. aussi bien les acteurs que les réalisateurs. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore donné du sérieux dans le cinéma. Ils pensent que faisant du cinéma, c'est pas du sérieux et tout ça là, que c'est pas rentable. Alors que le cinéma aussi, c'est l'industriel. Mais les gens n'ont rien compris dans ça. Vous dites que le cinéma ne nourrit pas son nom. ça veut dire que de ce cinéma, de cette carrière euh, financièrement, vous n'en avez pas tiré grand chose Non, absolument. Un seul film que j'ai tourné au Niger où j'ai gagné un million de francs c'était L'exilé de Morganda. Deux films. Il y a le film Alessi de Ramatou Keita. Là-bas aussi, j'ai eu un million de Français. Vous pensez que donc c'est un métier peut-être euh, qui a été trop ingrat C'est en général le cinéma au Niger qui n'apporte pas grand-chose. C'est au Niger, c'est entre nous. On dit aide-moi à faire. Sinon, les autres films, c'est aide-moi, tanti, grande sœur, tout ça là, on a besoin de ton aide, tout ça là. Les réalités que décrit la doyenne Zalika sont-elles euh, euh, différentes euh, aujourd'hui, Mustafa Diop Franchement, j'ai du mal à croire qu'il y a une industrie cinématographique au Niger et dans beaucoup de pays africains. Il y a des réalisateurs. Quelquefois, on a un bon directeur de photo, quelquefois un bon ingénieur de son. C'est vraiment épars. Parce que moi, je ne crois pas que demain, si on prend un Nigérien, on le met sur euh, le fusée Apollo ou quelconque, on le met en orbite, on va parler de que le Niger maîtrise toute la technique de, l'aéronautique ou de l'espace. Qu'est-ce qui se passe dans nos films On a un réalisateur, tout le sous en, en dessous, c'est des Européens. Et on va me parler d'industrie du cinéma africain Où ça Le directeur photo, il faut aller chercher un Européen. L'ingénieur de son, le monteur, tous les. la technique pour moi n'est pas neutre. Hein. des gens pensent que euh, qu'on prenne un japonais, un chinois, un, un australien, je ne sais pas quoi, c'est le même rendu technique. Je ne crois pas. J'ai eu l'expérience moi-même en faisant le médecin au niveau du montage que je n'étais pas culturellement d'accord avec mon, mon monteur. Il y a une scène de serpent qui, pour un Africain, veut dire beaucoup de choses lui, il a dit, bon, ça va, hein, on a assez vite, on se reparle ça va, et on a compris. J'ai dit, non, Hubert, pour l'Africain, n'est pas un truc qui passe comme ça, parce qu'un serpent qui est censé <laughs> connaître une telle mode. Bon, c'est pour vous montrer qu'au niveau culturel, la technique n'est pas notre. Ce n'est pas, c'est un être humain qui est là, bien sûr, le bon technicien, mais il a un bagage culturel derrière, et vous êtes confronté à ça. Donc, si c'est simplement le réalisateur qui est au-dessus de, de l'étage d'éjection d'une fusée, tout le bas ce n'est pas encore maîtrisé. Parler d'industrie du cinéma en Afrique, laissez-moi un peu être dubitatif. Alors, euh, euh, avec, euh, l'exemple de Zalika Souley tout à l'heure, on, parlait du fait que le, cinéaste arrive à vivre pleinement de, son métier. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce que vous, par exemple, on peut dire que ce métier vous a réussi non, sûrement pas. Elle a raison quand elle dit qu'on ne peut pas vivre du cinéma. Parce que euh, on peut faire comme Jingare, c'est-à-dire chaque année un film. Le plus connu sur ce plan-là, c'est Roger Corman, euh, qui faisait, il pouvait faire un film, c'est un Américain, en 15 jours. Il s'est emballé, posé. Bon, ces cas-là sont extrêmement rares. Entre deux films que l'on peut faire, disons des films, si ce n'est pas des films d'action à la chaîne, il se passe au moins entre 3 ans, 5 ans, sinon plus. Donc dire que tu vas, surtout un Africain, vivre que de, cette occupation, moi je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Par... Tous les gens que je connais dans le cinéma ont dû euh, se rabattre sur une occupation secondaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins l'industrie n'est pas assez étoffée, la régularité de les productions ne sont pas assez denses pour qu'on puisse vivre que de la production cinématographique. Alors, quelles sont peut-être les, difficultés Pourquoi M. Tayuru Omayaki du CN, euh, CN pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, on a du mal au Niger, les cinéastes ont du mal à vivre euh, de, ce tar? Bon, pour parler de l'industrialisation, c'est vrai, il n'y a pas d'industrie du cinéma. Mais pour qu'on ait une industrie du cinéma, eh, il faut que le privé s'implique. L'État, son rôle, c'est de faire les textes réglementaires, les textes législatifs, et puis eh, d'ordonner et de coordonner les actions. Mais pour pour qu'on ait une vraie industrie, il faut que les privés s'implique euh, s'impliquent dans cette affaire du cinéma. Avant d'arriver, d'en arriver, excusez-moi, euh, au, privé, vous avez écouté Zalika tout à l'heure. Elle disait que c'est aussi cette relation de, grande sœur, de, de connaissance, euh, aide-moi et, gratuitement. Est-ce que tout ça peut-être joue sur cet aspect-là? Oui, ça joue sur cet aspect parce que au fait, les gens mettent trop de sentiments. Euh, tout, réalisateur, surtout euh, en fiction, euh, les gens, les acteurs, on, les, demande à ceux qui viennent jouer leur rôle, mais c'est une façon d'aider le réalisateur. Mais ce n'est pas pour vivre de, de cet acteur réel-là. Alors pourquoi euh, jusqu'à présent, je parle de 50 ans après euh, notre pays, le Niger tâtonne encore Est-ce est à, cause du genre euh, de, cinéma que, nous avons Non. Diop. Ça, c'est une question de simplement de s'organiser. Moi, je ne pense pas que les Burkinabés ou mm, les, Sénégalais soient plus intelligents ou qu'ils aient plus de moyens que nous. Ils sont mieux organisés et les cinéastes là-bas au Burkina, chacun. À la limite, je peux dire que certains cinéastes ne vivent que du cinéma. Alors c'est vrai que nous avons un cinéma d'art au Niger, c'est un cinéma d'art que nous avons. J'ai euh, discuté avec des réalisateurs. Il y, a ce problème-là que vous n'avez pas posé, mais qui se pose maintenant. Est-ce qu'il faut faire que du cinéma d'art Et on va même plus loin parce que certains pensent qu'il faut faire du docu artistique docu-fiction artistique. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est quoi euh, docu Documentaire. Fiction, Documentaire mhm. fiction artistique, soi-disant. C'est-à-dire que, bon, il faut pratiquement se, se référer à Nanook, au film de Flaherty, donc qui ont, marqué le cinéma euh, français à l'époque. Mais tout le monde n'est pas Flaherty. Je suis désolé. Flaherty, ça naît une fois par 10 euh, ans, 20 ans, dans, dans des pays déjà développés, très axés sur le cinéma. Bon, quand même, on peut avoir un petit mour chez nous de temps en temps. Bon, ce n'est pas. Euh, ça, c'est. Quand, on fait du dirigisme en matière artistique, c'est toujours mauvais. Les pays de l'Est ont, ont fait du dirigisme dans l'art ça n'a rien donné. Dans les pays dits occidentaux, il y avait la liberté totale. Ceux qui, Mustafa Alassane veut faire du dessin animé, on le laisse faire. Quelqu'un veut faire des films d'amour, on le laisse faire. Quelqu'un veut faire euh, des films de documentaire, il faut laisser toute liberté totale. C'est le peuple, c'est les spectateurs qui, par leur choix, donneront l'axe. n'est pas une autorité qui va venir d'ex machina dire voilà la voie. C'est ça que moi je, je combats. Alors qu'est-ce qu'il a, il a de bien ce cinéma d'art que nous avons Qu'est-ce qu'il a vraiment de bien bah, on ne peut pas le savoir, il faut laisser le temps s'écouler et on fera le bilan au bout d'un certain temps. Est-ce que ça a marché Ça a donné quoi À l'heure actuelle, on ne peut avoir ça que Ça fait 50 ans après, hein ça fait 50 ans aujourd'hui. Ah non, ah non, si vous parlez d'il y a 50 ans, il n'y a pas que des films d'art, il y a mhm. eu des films de toutes sortes. Si vous parlez que... Je parle du bilan, par exemple. Du bilan au Niger. Mhm. Au Niger ne peut pas <laughs> dire que certains films que je connais, des longs métrages, sont des films d'art. Excusez-moi. Mhm. On est, ce que je disais au départ, très nombrilistes. Ce que nous faisons, on, leur accole des qualificatifs, on se demande d'où ça vient. Mais enfin, quand on réfléchit, quand on est un peu lucide, on met les choses à leur place certains films, je ne peux pas les appeler des films d'art, excusez-moi. Supposons que c'est des films, en réalité, de, certains films sont au niveau du roman photo. Si vous allez me dire que le roman photo ou des, des, des, trucs façon SAS, San Antonio sont des, écrits d'art, très bien. Sinon, certains films ne dépassent pas ce niveau. Ce n'est pas de là, mais c'est populaire. Les gens vont voir. C'est pour ça que j'ai contesté votre définition de cinéma d'art au Niger. Il y a eu beaucoup de productions de tout genre. Et en ce moment, ça pullulait. C'était positif. L'élan actuel de vouloir aller dans une seule direction, ça, je crois qu'il faut le combattre parce que on va vers une impasse. C'est ce que je crois, je peux me tromper. On va en arriver à là, comment donc euh, remédier à cette euh, situation à euh, l'instant Tayuru Mayaki, donc du CNCN, comment passer du cinéma d'art à, l'industrialisation du cinéma au Niger, même si le doyen Job Mustafa parle est très sceptique par rapport à cette industrialisation, même en Afrique, pas seulement au Niger Bon, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut l'implication du privé. Et on a la chance que le doyen qui est là avec nous est membre du conseil d'administration du CNCN. Le Centre, euh, national, de la cinématographie, du Niger. au Niger. Donc nous, euh, de ce qui est de l'État, comme tout à l'heure je vous ai dit, nous on ne peut qu'encadrer et puis donner euh, un canevas. C'est dans ce sens qu'on a fait, on a puis prendre une ordonnance relative à l'industrie cinématographique et vidéographique, et où on a tout, ce qu'il faut pour poser une bonne industrie du cinéma. Mais le paradoxe, c'est que cette ordonnance, il n'y a pas eu de décret et des arrêtés pour son application, parce qu'elle contient plusieurs arrêtés, dans, euh, plusieurs articles. Dans ces articles-là, il faut qu'on ait des décrets pour leur mise en application. Euh, entre-temps, euh, le ministère du Commerce nous a devancé dans ce sens pour inciter les gens à venir dans la production cinématographique. C'est ainsi euh, que le gouvernement a mis en application un code des investissements qui prévoit trois régimes, ABC. Et parmi le bénéfice d'un de ces régimes-là, peut être accordée à toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, exerçant ou désireuse d'exercer une activité. Des régimes particuliers sont consacrés uniquement à l'artisanat de production et la production cinématographique. Et tenez-vous bien, la durée du régime est de 5 ans. Entre-temps, pour inciter davantage les gens à venir vers la filière cinématographique, on a fait un bonus de trois ans pour tout celui qui veut s'implanter à Agadez, à Difa, à Tawa et à Zender. Donc, moi, je pense que l'État a commencé à montrer la voie pour attirer les investisseurs dans le cinéma. Et peut-être en ce temps, on peut parler euh, qu'on est en train d'aller vers l'industrialisation du cinéma. Mais, je commente, je rejoins le doyen en Afrique. Euh, on ne peut pas parler d'industrialisation du cinéma, peut-être deux exemples. L'Afrique du Sud et le Nigeria. Mais entre-temps aussi, quel cinéma Parce que euh, tout à l'heure, quand il disait produire un film, attendre trois ans, cinq ans, par exemple au Nigeria, pourquoi on a euh, un embryon de, l'industrie cinématographique C'est parce qu'il y a des gens qui produisent en 11 semaines. Et le doigt c'est qu'un bon film de qualité, le produire en 11 semaines, c'est pas si sûr que ça. Vous confirmez, Diop Mustafa, que peut-être que ces films, euh, par rapport donc à, la qualité, euh, restent à désirer Ces films ne sont pas très euh, ambitieux. Ils sont des films commerciaux. C'est fait pour apporter de l'argent. C'est pas fait pour diffuser des messages subliminaux. Non, c'est des films, euh, c'est du mercantilisme, c'est tout. Je fabrique un produit comme le savon, je vous vends. Enfin, le public qui va voir, je lui vends, c'est tout. Mais on constate quand même que les Nigériens aiment beaucoup consommer ces, ces, ces, genres de films. On ne lui offre pas autre chose à la place. Venez lui donner quelque chose de plus substantiel. Il va se D'ailleurs, il faut l'éduquer, le public. Nous, à un certain temps, quand on était petit, on regardait Tarzan, Zorro. Euh, si on nous veut nous parler des grands auteurs, on n'en est pas. Mais petit à petit, avec l'âge, on a appris ah, ah, ah, j'ai un ami, c'est curieux, il dit que lui, le bon film, c'est quand ça commence par ban et ça finit par bamba. Et c'est un intellectuel. <laughs> ban, ça veut dire des tirs. Un tir, voilà. Oui. Je le regarde, je dis, eh oui, mais il a raison, on n'a pas habitué à aimer autre chose. C'est comme la nourriture, on, vous habitue, à, même si vous n'aimez pas au départ, à aimer ce qui est bon pour votre corps vous allez les mettre en fin de compte. Alors pour nous, Nigériens, qu'est-ce qui serait bon pour nous euh, Quel type de film alors euh, serait vraiment euh, intéressant Il ne faut pas être dirigiste, il faut laisser l'art s'exprimer, ne pas lui mettre des corsets. Ça, c'est la première règle. les artistes qui ont envie d'aller faire du cinéma, chacun le fait comme il le sent. Et au fur et à mesure, bon, il y a une, un contrôle de l'État. On ne va pas se mettre à faire des films porno parce que les gens aiment ça. Mais on doit avoir comme préoccupation d'éduquer aussi son public. C'est-à-dire lui donner de, la matière à réflexion au lieu de l'abrutir avec des productions qui ne mènent à rien. Les, à la limite, euh, les, les, les novellas, c'est autre que je vois c'est abrutissant. Ça nous amène aucune, ça n'amène aucune intelligence à la personne qui suit ça. Or, nos sœurs, nos tantes et tout le temps, nos bonnes d'ailleurs, sont tout le temps braquées et hébétées devant ça. Tu rentres à la maison, au lieu qu'elle soit en train de travailler, elles sont en train de regarder, je sais pas, comme à Miramar ou quoi là. Marimar. Marimar ou quelque chose comme ça. Bon, Moustapha je reste avec vous parce que le souci ici, est-ce que ce serait un jour de faire vivre le cinéaste nigérien de son métier Est-ce que vous y croyez Sinon, comment faire Déjà, je vais être un peu en contradiction avec euh, euh, mon ami Taïrou. Le, un centre national du cinéma, les textes sont là, c'est pour ce qu'il a dit, encadré, etc. Mais si on prend le centre national du cinéma euh, français, il n'y a aucun film en France qui se fait aujourd'hui sans l'appui du Centre national du cinéma. Aucun. Donc, si on élargit le rôle du Centre national du cinéma, lui donner un système de ponction sur les, moyens de diffuser le cinéma, si c'est les billets, si c'est les ventes de DVD ou de télévision, que, ce centre soit là aussi pour qu'il y ait des productions nigériennes. Pas simplement encadrer, avoir de beaux bureaux, des voitures, n'importe quoi. Aller. Non, un centre national du cinéma, c'est pour la production, avant tout, même avant les fonctionnaires. En France, en tout cas, c'est comme ça. Et souvent, on a comme modèle <laughs> le système français. Il n'y a pas à l'heure actuelle un seul film français sans que le Centre national y mette sa part. Moi, je n'en connais pas. Et on attend la même chose de notre centre. Et le langage qu'ils tiennent, ceux qui sont là-bas, et Taïrou vient de le confirmer, ils sont là pour nous encadrer pour nous faciliter la vie. C'est vrai, c'est bien déjà. Il faut passer à la vitesse supérieure. Et j'en profite aussi pour lancer une petite flèche du côté des autorités. C'est qu'il faut leur donner leur, leur à ce centre. Le président, ça part du bon cœur, il appelle qui il veut, il donne l'argent à qui il veut, il veut aider. Ça part du bon cœur. Mais ça désorganise puisqu'on n'a pas un centre. Eh, on a créé un centre pourquoi C'est pour coordonner, créer la synergie nécessaire dans ce métier. Mais si les efforts sont disséminés, comment voulez-vous aboutir à, euh, un résultat concret Monsieur Taïmayaki, déjà vous voulez répondre, allez-y. Oui, le droit il sait très bien que le centre appuie les cinéastes nigériens, parce qu'il est membre du conseil d'administration. Et le problème qu'on a dans les textes, c'est qu'il nous faut un fonds de développement de l'industrie cinématographique et vidéographique. Ça, on l'a toujours demandé et on n'a pas eu de, réponse. C'est auprès de qui auprès droit qui des droits, c'est qui euh, Auprès de l'État. De l'État. Parce que nous, on est représentants de l'État. Mais sinon, avec euh, la petite subvention, il faut de la vérité, avec la petite subvention de fonctionnement qu'on nous alloue, on arrive à, appuyer des productions. Et c'est pas suffisant. L'avantage, c'est qu'on peut appuyer en, finance et en matériel de production. Alors, mais c'est pas suffisant. Ah, pas suffisant. Tout le budget même du ministère de la Culture, euh, uh-huh. c'est combien Parlons de ce budget. Non, pas pour le moment <laughs> mais un système pour financer le cinéma. Donc, il, Regardez, on a trouvé un système pour financer le quand Kouchi était là. Euh. Il a trouvé un système, il a inventé de son cerveau, il a dit je veux ma télé, il faut qu'elle soit à la hauteur des autres télés de la sous-région. Il a fait une taxe au Tout le monde a en payant l'électricité. Et, et, sa télé est une des meilleures, en tout cas était ou est encore une des meilleures de la sous-région. Maintenant, on veut donner, et on parle de renaissance culturelle bon sang, donner au Centre national du cinéma les moyens de pouvoir relancer le cinéma. On parle beau discours et tout. Euh, les aides que vous donnez, 2 millions, 3 millions, ça ne représente même pas le cachet d'un bon technicien, du cinéma. A plus forte raison, la production. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que justement M. Tahiru Mayaki venait de le dire, le manque de moyens l'insuffisance, par exemple, euh, des moyens. C'est la base de tout. C'est une des bases. Il y a la volonté politique. L'État l'a exprimée en créant ce centre. Il faut maintenant, l'étape suivante, c'est donner à ce centre les prérogatives et les moyens. Alors, euh, allez-y, Tayuru Mayaki du centre. Tout à l'heure, euh, le doyen et puis la, la douane Zadika ont parlé des aides du chef de l'État. C'est vrai, le chef de l'État accorde des aides. Mais nous, on pense, comme l'a dit le doyen, si on canalise tout, tout cet argent-là vers le centre, comme ça on aura même un œil de regard. Je vais vous faire une confidence ah. que le doigt sait. Il y, a, il y a, un cinéaste à qui on a donné 100 millions, mais 4-6 mois après, quand on lui a demandé le niveau d'exécution de son projet, il s'est fâché. Il n'est plus revenu vers nous. Comment vous allez donner 5 millions à quelqu'un, vous lui demandez le euh, niveau d'exécution de son projet et il refuse de vous dire. Et ça devient un problème. Donc euh, le changement de mentalité, comme dit le doigt, il, il est, là. Il faut aussi qu'on arrive à faire accepter les gens. D'ailleurs, nous les a pu condamner. S'il y avait un fonds de développement du cinéma, de l'industrie